jërëgeen jëf mbokk yi ñuy déglu ci 3W senvision.com ak Daara FM seen émission la lumière du jour Makary Ndiaye di leen koy defal tey ji encore ñu jàkkaarloo ak beneen kilifa li ñuy def rek mooy que ne ñu bàyyi mu nuyoog euh, ñi nga xam ñoom ñooy suñu lecteur ak euh, auditeur yi euh, Daara FM salaamaaleykum monsieur Koundou. waaleykum salaam Makary maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi. Nous avons ñi nga émission la lumière du jour di kontaan qui ci ci et bi di kontaan aussi initiative bi di euh, monsieur Koundoul est-ce que vous xam monsieur nga ñu ko rek si mu kan Abdoulaye Koundoul di euh, doomu Jolof ndax euh, sama sama papa Jolof. Euh, Ngiij nekk euh, village boo xam ne mi ngi nekk ak 4 kilomètres de Linguère yaakaar naa kuy jolof jolof xam nga village boobu muy village bu ñu ràññee ci diine ak euh, caada ak cosaan li mën a wax ci man mooy Dakar laa jànge CM Canada jugee fa dem lycée Limamoulaye am fa bac dem université Dakar. Par l'Université def formation conservatoire de Dakar nek professeur de musique amna yenen formation yoo xamni après def nako pour renforcer wu nek tay agent au ministère de la culture yalla def depuis ñaari at ak genn wàll ma nek directeur des arts waye ba la tamay nek directeur des arts nekkoon aussi euh, école nationale des arts di fa chef de département yoroon aussi ben projet bu am solo bo xamni bi espagnol yi ñu koy wooyee PEX promotion des entreprises créatives et culturelles la taxone mu jóg moy tagat ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci ci culture ci caada ak ciosan euh fexe fexé bañu am gis-gisu mëna monter ay entreprise ay këru liggéeyukaay yoo xam ne yi dinañ ci mën di tedd ak di employé ay xalé lolu liggéey naa ko pendant ñeenti at nekkoon aussi grand théâtre directeur des ressources humaines ba laata may nekk directeur des arts Euh, monsieur Koundoul ñu ñëw si tey jii nii yàlla def na tey euh, yaa ngi fii si direction des arts yow yaay le directeur euh, ma la doon laaj tuuti rek ñu na tuuti ndax ba nga doon bi ngay def sa njàng ak fi nga yegg si yëpp lii nii moom moo nekkoon sa bëgg-bëgg wala am na leneen loo xam ne moom nga visé woon nga xam ne tey jii nii da ko war a test d'après sama xalaat. xam nga ñaari mbir moo am xam nga dama di fonctionnaire.

ñoom mën nañu xool ne ah diw de am nañu yaakaar ne suñ ko dénkee lii euh, yaakaar boobu du tas donc loolu moom euh, si loxoy euh, autorité yi la nekk moo tax ma nekk directeur des arts waaye bi may jàngit du woon loo xam ne lii lu mu woon la comme ni nga xamee nit day xëy nekk ministre nekk leneen du lu muy visé waaye jamono dafay dox ba ñu jàpp ne ah kii kat suñ ko denkee lii am nañ si moom yaakaar yaakaar boobu la autorité yi am ci man mais ñaanil yaakaar yi bañ a tas Euh, vraiment fexé ba ñoom it yaakaar bi ñu am ci man moom bañ ko tas liñ ci séentu gis lu weesu seen jort. parce que loolu des fois dañuy dégg ñu ne euh, ab réew mënut développer sans culture mënut a dem sans culture euh, loolu est-ce que mën nga ñëw tegal ci table bi la nga xam ne foofu la kilifa yi sukkandiku bàyyi wax wax jooju. xam nga nit bu ñu ne nit rek. Euh, ragné wuñu bi dëkk France bi dëkk Espagne bi dëkk fële mënti mais nit ci boppam dafa am na ko yàlla bindee euh, ni nga xamee noonu la ñuy waxee ñun ñii fii tey maag yow wute na lool ak ni nga xamee ne boo demee tey en Europe wala en Espagne ñoom nañuy waxee euh, en Europe wala je veux dire en Europe wala en France parce que Europe Espagne mi ngi ci biir Europe donc ñooñu da ngay gis ne même kàllaama rek ni mu bëree su loolu wéyee nit ñi li ñuy bëri bëri bëri nit ñi doxee sax du benn. ni ñuy soloo du benn nit li ñuy lekk du benn kon moo lay won ne nit dañu ne nit jàpp ne benn la waaye bëri na ni nit mën a taxawee loolu yëpp muy def nag booy set boo ko delloo dafay tënk li ñuy wax culture mooy li nga xam ne moom la nit ki xam làkk bi may làkk ci culture la bokk ni may soloo nga fekk ma ma soloo tey jii ci la bokk ni may lekkee ci culture la ni nga xamee ne moom laa amee relation tey jii ak yow wax ko ko yow loolu ci culture la même liggéey aussi ni ñuy qui ci mi ngi culture kon su fekkente ne ku mel ni président Léopold Sédar Senghor dafa la culture est au début et à la fin de tout développement Mouné, les poules, euh, jëm ci yokkute booy seet laluwul fenn lu may ci culture ndaxte tay jii bu ñu euh dañuy liggéey nit ki ni ngay liggéey moy li nga xam ak sa culture la mu la la mu la jox mooy la ñu nàmp kon dafay am solo lépp lu ñuy def ñu di ko def ci li nga xam ne moom la ñu xam loolu rek moom moo ñuy tax ñu mucc kon culture lu am solo la nit ñi mënuñoo développé wu ñoo koom-koom bi mënta yokku te teguñu ko ci culture culture moom mooy tenir compte ci li nga xam ne li mooy ràññee nit ki ak li nga xam ne moom la nit ki xam ba tax mu mën a liggéey culture moo koy ràññee su ko ràññee par foofu rek la nit ki mën a amee njariñ mën liggéey njariñ réew kon lu am solo la d'accord naa ci li autorité yi wax waaye ki ko njëkk a wax aussi du kenn ku dul président Léopold Sédar Senghor ku nekk xam na ne moom jamono ba mu doon dund nit ñi dañ ko doon gis ne waaye wees woon na ko bu yàgg doon gis loo xam ni kenn gisu ko woon tey jii nag li mu doon wax ci culture yépp ñëw na bu ñuy wax économie tey jii même économie bi su fekkente ne

culture rek mu koy dindi si ay manifestation xam nga booy seet ni mu gën a simple pour permettre ñenn ñu gën a comprendre xam nga ñi nga xam ne ñooy artistes yi euh, jot gi ñu am ngir jotee ko population yi amul keneen koo xam ne kii am na loolu kon ñoom ñoom mën nañoo porter ay messages yu bees di ko jàllale fu mu gën a yombee pour population yi war a xam ne ah nii la ñu war a doxalee jamono dox na nii la ñu war a fexe le changement am li ñu développement

culture ak lépp loo xam ne wàllu actualité la euh, monsieur Koundou ñu ñëw si li nga moom moo nekk dañoo gis ne des fois da ngay gis euh, ñii dañuy wax ne aada bi ak cosaan euh, dañ ko donn ñii ne dañuy dem jàngi ko te doonuñu ay ay ay ay géwél te bu njëkk da nga doon gis ne boo koy def rek dañu wax ne géwél nga te bëri na tey jii nii bëri na ay artistes yoo xam ne tey jii nii ñu ngi ñu ngi musique mais boo seetee seen seen seen famille duñu duñu duñu géwél Euh, donn wuñ ko daal dañuy dem jàngi kook yooyu noo gisee donn bi ak jàng bi. waaw donn bi ak jàng bi yépp li ko indi mooy jamono moo dox. li ñu xamoon xam nga géwal si biir société dafa am rôle boo xam ne moom la amoon. Mhm. woy yi mu daan woy wala euh, fecc bi ñu daan fecc wala ñu di ko tëgg. Mhm. du loo xam ne dañ ko doon def. kese si bànneexu bakkan dañ ko doon def dans des circonstances particulières boo xoolee am na ay ay ñoo xam ne ñii tey jii euh, boo demee seeti leen parce que manifestation ni nit ñi di euh, manifester culturellement ak artistiquement dafa wuute waaye am na si ay peuple yoo xam ni boo demee toutes les circonstances de la vie am na manifestation artistique boo xam ni moom moo koy accompagner moo xam maara day taal yi nit jógee fii moo xam am xale ku gane ci àdduna mu nekk mu nekk mu nekk ngénte moo xam mariage lu ci nekk la fa daan am kooku cosaan loolu jamono di dox ba nga xam ne ñi nga xam ne dañ doon def loolu gis nañ ne non seulement mën nañ continuer di ko def waaye mën nañ ci di am xaalis ñu commencé di ko monnayer am public boo xam ne bii loolu daf leen intéressé mu jaral leen ñu ñëw di fay di fekkee donc euh, jotaay yu mel noonu moo xam mu nekk ay woy wala ay fecc

am ñoo xam ne dañ ko doon na di ko def am ñoo xam ne doon nañu ko dañu ko bëgg jàng ko ba di ko def loolu yëpp parce que tey jii lépp lu jëm ci manifestation wu caada boobu moo xam mu jëm ci fecc wala ci am tëgg wala ci musique wala ci yeneen yëpp yàlla dafa def tey jii mu mën a jur koom-koom koom-koom boobu mooy jur moo tax nit ñi di intéressé wu ñu di dem di def formation bi nag dafa am solo même ñi nga xam dañ ko doon jamono dox na dox boo xam ne bi tey ji ku yem ci la nga doon noonu fii niveau aar bi toll soo moytuwul yow pour nga ànd ak moom dafay jafe donc boo ko doon na it war nga dem jàngi ko te jàng bi jafewul école des arts mi ngi fi am na sax yeneen façon jàng yoo xam ne du nekk école waaye nga gis koo xam ne kii mën na ko nga di ko accompagner yàlla def mu am lu mu la baaxee ci xam-xamam loolu ba tey jàng la rek am na ñoo xam ne ñii dañuy dem bitim réew euh, moom dara jiitoo ko weesu ko si sàkku xam-xam dellu si donc daal li nga xam ne moom laa mën a jàpp mooy ñi nga xam ne dañ ko donn te euh, di ko def ak ñi nga xam ne doon nuñu ko ñoom it te mu neex leen ñoom ñëpp ndax mbir ñu dem euh, defi formation mbir mi moom moo toll foofu euh, di leen di fàttali que tey jii nii nag suñu émission laa lumière du jour ñu ngi dalal nga xam moom moo nekk Amadou Koundoul. Abdou Abdoulaye Koundoul excusez-moi Abdoulaye Koundoul mom lañu dalal tay fas yéene waxtaanee ak mom ci walu cosaan ak aada mais itam de ngeen si ben ba ay jaar-jaaram fi nga xamne tay jini yalla def nako ba mu yegg fi tay euh monsieur Koundoul ñu ñew ci li nga xamne aussi mom mo nek bo setlo si côté jam ak yoyu euh lan la ci culture mu a jouer deug deug deug deug deug alors xam nga li ci ëpp. da nga ne jàmm boo ñu ñu euh, wala crise waaw crise waaw xam ba tey su loolu amee rek dafa la xoolee di ma gis ci yow mais yow la ci yow kenn du sa kenn du sa différence sama diggante ak yow te différence boobu euh, daf ñoo war a euh, soreele

Nous wax toujours ñun diversité culturelle nekkul loo xam ne ñuy xajale waaye daf ñoo war a gën a li ñu manqué ñun ñëpp ku nekk bu ñëwee rek indi li nga moom la am culture ministère de la culture dox année bu ñuy festival festival dem ba Sénégal oriental ñew lañ ñuy def ñu ngi ko won Sénégalais yi ñuy gis ne kon ñepp kat melunu ni ni ngeen gis fi rek waye ñun ñepp ay sénégalais lañ waye nak am ay mandarga yoo xam ne mandarga wuute la waye loolu yëpp terewul ñu wara nek nekk culture ñu ci liggéey lu bëri d' euh, souvent da ngay dégg euh, ñuy wax ne dañoo war a mun a aar suñu patrimoine culturel maanaam euh, Sénégal dafa bëri ay gox-goxaan yoo xam ne tey jii nii Euh, am na lu fa yàlla def si wàllu cosaan ak aada euh, ñu bëri di si wax euh, ndax tànk yooyu noonu nit ñi amaa ñuy wax fekk nañ leen si. xam nga loolu booy seet mission wu ministère de la culture mais aussi nekk na mission wu képp koo xam ne ki nekk nga doomu Sénégal parce que bu ñu ne patrimoine mooy lan mooy li nga moom li nga moom sama patrimoine lii man maa ko moom. comme ni keneen amee leneen te olof dinay wax ah ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk borom toog ci kon ñun dañu war a toog suñu ànd waaye ànd boobu ñu siy toog war nañ xam lii ñuy toog lan la mooy suñu patrimoine patrimoine la bu ñu koy wax dafa am patrimoine culturel matériel patrimoine culturel immatériel mooy loo xam ne lii mën nga ci teg sa loxo mooy matériel ak immatériel bi nga xam ne bii doo ko teg sa loxo waaye lu ñu bokk lu ñun ñëpp xam ko am na ay valeur yu bëri yoo xam ne yi tey jii jarul ma la koy wax parce que mi ci yow lolu moy patrimoine immatériel euh, li nga xamné li mom la ci euh, ministère de la culture di liggéey nag reuy la patrimoine matériel bi amna programme buñ ci buñ ci buñ ci buñ ci yor patrimoine immatériel amna programme boo xam koy dawal li nga xamné li moy li gën récent te ñu dawal ci lu bari bari moy euh sauvegarde bi ñu doon def ci les sites de mémoire les sites religieux parce que it euh, diine ji bokk na ci patrimoine boobu ay mag yoo xam ne na ay centaine d'années lañ fi liggéeyoon si diine ji bàyyi fi ñu war ko aar pour mu bañ a naxasaay ndax ñu fexe ba génération yi di ñëw mën leen comme ñun nit ñu ko la ministère de la culture ngi à travers la direction du patrimoine liggéey bu rafet boo xam ne def euh, mosquée bu El Hadj Alwar dem nañ fa réhabilité ko ba mu taxawaat soo demee mosquée bi ñuy wax Banguère ci Casamance la bokk def nañ ko waaye it boo demee église bi gën a bi gën nekk mag ci église su Sénégal yi nga xam ne à Carabane la nekk moom aussi dem nañ fa tegaat ko réhabilité ko ba génération yu bees yi mën ko gis loolu aussi dafa am solo ndax devoir de mémoire la waruñoo fexe ñun ba li nga xam ne lii moom la Sénégal amoon te tax ñu ràññee ko ñun ñu jógee fi rek mu demee ak ñun donc dañoo war a fexe ba ni ñu ni ñu ko joxee woon muy la transmission ñu fexe ñu nit jox ko génération yi kooku liggéey bu rëy bu ñu ciy def la ak maintenant événement yi nga xam dañ koy fàttali lu mel ni euh, événement wu euh, bi nga xamee ne euh, Buur Sine Coumba Ndoffène ma ngay témoigner ci Serigne Touba loolu événement la boo xam ne chaque année day ñëw dañ fay daje. bu ñu ñëwee xale yi nga xam ne fekkee wu loolu ñu wax leen li tax ñuy daje foofu te loolu at mu nekk ñu ngi koy def ak yeneen yeneen événement yoo xam ne yii toujours dañ koy def ngir fàttali donc patrimoine boobu déxale ku nekk dégg na déxale waaye xamuloo li fa xewoon ministère de la culture mi ngi ci liggéey boo xam ne bii dañ fexe ba place boobu ñu am ay nataal yi ñu fay def ba ku dem ba dox foofu da nga xam ne fii déxale la Lat Joor da nga xam combat bu mu fa livré woon nan la ko livré nan la demee woon ak donc yu demee noonu bëri nañ ci loolu exemple yi du jeex su ma la doon cité mais li ñu mën a jàpp mooy ministère de la culture li nga xam ne lii rôle am la sauvegarder le patrimoine ñu ngi koy dox bu baax à travers des programmes kon yaakaar naa euh, suñu yu euh, a jëriñu émission bi ma leen di euh, monsieur Koundoul la ñu invité tey muy suñu gan si la lumière du jour ñuy fas waxtaan ak moom si ay poñ yoo xam yi nga mu jaar avant muy direction bi loolu la point com déplacé wu uniquement pour. gën a xamale sénégalais yi kan mooy euh, monsieur Koundoul monsieur Koundoul ñu ñëw si euh, li nga xam ne moom moo nekk yang-yang euh, yang-yang ñu bëri dañ koy dégg te gannaaw nga ne jolof-jolof nga yaakaar naa am na loo ñu mun a dënk denc foofu noonu nga xam ne ñi ñuy déglu dinañ ci mun a jëriñu bu baax a baax yang-yang waaw yang-yang c'est vrai que mi ngi nekk dans l'ouest du Sénégal Yang Yang boyset mon euh, capitale empire du Djolof. et si nous aussi Yang Yang ku nekk dafay xalaat Buuna Alburi Njaay mu nekk euh, Jolof bu et bu Yang Yang aussi dañuy dañuy le tata de Alburi Njaay résidence wala dëkk bu euh, këru buur ba la woon résidence royale et surtout dañuy jàppe it ne am na fa benn stèle boo xam ne bi dafa doon représenter la mosquée du Tata et yooyu yëpp ñu ngi bokk d'ailleurs sur la liste des monuments historiques classés et li ma mën a wax si si si Yang Yang euh, loolu la bëriwul parce que moi je ne suis pas historien mais li ma xam si yang yang loolu la lu gàtt loolu la wax ne yang yang suñ ko tuddee daal ku nekk dina dem ci capital moo doon capital bu empire du Jolof donc euh, nekk tey jii euh, bu ñëwee ba Linguère euh, am na yoon boo ni mën nga ko topp ba yegg ci ci ci ci ci donc loolu laa mën a wax. malheureusement mënuma mënuma sori loolu. <laughs> si si si yang yang mënuma ci sori loolu waaye loolu daal mën naa la ko wax xam naa ne. mi ngi situé à 37 km du nord-est de Linguère. donc loolu mën naa la wax. monsieur Koundoul euh, xam naa nag euh, danañ ëlbat tuuti débat bi bala ñuy jàll feneen mais euh, dafa am loo xam ne nag si wéewu booy lañ koy jotee. Mm. mooy que ne yéen waa ngi ci gis nañ ne li si gën a bëri si yéen mooy cadre ya fa nekk. du ngeen jël xale xale yi di leen di jox xaalis di leen nii mais da ngeen leen di yëkkati ay moyens dimbale leen ba ñoom vraiment ñu mun a demal si bopp gis nañ ne tey jii nii ñu amoon nañ ab biis boo xam ne jox nañ leen ko seen yéene daal mooy que ne vraiment jàppale jeunesse ba fa nekk lan moo indi solidarité boobu nga xam ne yéen kilifa ya fa nekk yéen a ngi koy jàppale ña nekk si dëkk ba. waaw loolu yëpp ay valeur la xam nga sànq yaa ngi wax patrimoine patrimoine mooy li nga

te teguñu ko feneen lu dul solidarité te xam ne ay mbokki neen lañu ay mbokk di jàppalante koo laal nag mel ni laal na laal nga keneen li li muy yaatu noonu koo fa laal bokk nag keneen ki moo xam mu bokk ak moom ci ci ci meen wala donc loolu moom mooy yombal euh, li nga wax sànq solidarité bi ñun ñëpp dañoo jàpp ne ñun ñëpp benn lañ waaw ki nga xam ne kii nag jàpp nga ne yàgg moom benn ngeen ah mais euh, looy def ci moom day nekk rek loo xam ne lii yéene bu rafet lay doon loolu moo tax xale yi li ñuy def ci ñoom mooy la mag ñi defoon ci ñun ñu leen koy delloo mooy fexe jàppale leen ba seen njàng mën a sotti jàppale leen aussi si li nga xam ne lii moom mooy tax ñu épanouir di def ay journée culturelle di leen si jàppale di leen jàppale aussi ñu gën a xam ñoom ñooy kan parce que euh, tey jii bu ñu fexee ba ñun bu ñu toogee nekk Dakar

d'accord euh, monsieur Koundoul day def politique wala defal politique. monsieur Koundoul dina def politique de développement cest lépp loo xam ne lii luy jëmale kanam sama dëkk luy jëmale kanam sama gox ku may wootu ku ma ku ma si woo boo moytuwul maa la fay jiitu. wàllu politique de développement daal di ngay yëngatu. maa ngi ci politique de développement mu wund lépp

duma mënuma bañ a tudd li nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Aly Ngouille nga xam ne moom moo dimbale jigéen ñi ba GIE boobu taxaw waaye ba mu leen dimbale jigéen ñi ñoom it yaafu suñu nekk nañ di liggéey ba tey ji GIE boobu mi ngi leen di permettre ñu faj seeni soxla ak di dimbale seeni doom di suturaal seeni seen seeni jëkkër kooku am na fa leneen li si nekk mooy xale yi ñoom it ñiy góorgóorlu si biir seen foyer des jeunes foyer boobu aussi mi ngi fexe lépp lu mun pour indi ko ci dëkk bi ci jëmale kanam dëkk bi mu à travers la le partenariat ak yeneen association yoo xam ni sax nekk ñu Sénégal ñoom aussi ñu ngi koy def waaye it am na si association boo xam ne bi cadre dëkk bi ñoom ñoo ci nekk ñoom it ñu ngi ji muy ARN ñu liggéey bu baax a baax di fexe di dajale seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm pour di dimbali dëkk bi bu fekkente ne soxla taxaw na donc noonu daal mooy li nga xam ne lii moom moo am ci dëkk ba booleeg maintenant appui wu autorité administrative yi ak autorité euh, politique yi loolu am nañ ko bu baax a baax et c'est une chance alhamdulilah loolu euh, sens la si ñoom euh, monsieur kundul moom moo ko wax euh, xam naa nag dina xaw a métti toujours ñu ñëw si question yi gis nga ko élection yi ñi weesu ñu doon wax ni maanaam assemblée bi fi nekkoon xawoon naa des mu nekkoon assemblée boo xam ne ku jege ñu ngi ko doon ŋàññi euh, ak yàlla def euh, assemblée bu bees bi ni ñëw yow en tant que citoyen euh, aussi tam nga mun see joxe sa point de vie noo gisee ñaari assemblée yi nii nga xam ne bi ñu weesu ak bi ak bi nga xam ne tey jii nii yàlla def na ñu nasaat ko pour mu mun a doxal ba at yi ñëw. xam nga ok adduna la jamono dafay dox. Mm-hmm. li am importance muy nit ñi am ambition.

waaw ko gàcce ngaalaama donc man jàpp naa ne euh, législature bi di ñëw bi nga xam ne installé nañ ko ñoom it danañ fexe ba lay seen nawle yi fi jógee woon def ñu def lu raw loolu te noonu rek la dëkk di doxee mooy tey jii bu ñu defee tuuti ëllëg ñu yokkaat tuuti di yokk noonu noonu rek lay doxe euh, ndar nag dinañ ne mag ñi dañ faral di wax ndar kenn xëyul tabax ku benn bés. Mm. kon euh, dañuy jàpp aussi ni ji suñu dëkk yi. dëkk yu ndaw lañu dëkk yoo xam ne yi ay xale lañu suñ doon fekkoon dañu doon xool seeni at di ko di ko méngale ak uh, ati ati nit di nga ne ba léegi ay yegguñ sax waxambaane soo ñu comparé ak yenn pays yu xam ne am nañ une existence de plus d'une centaine ñoom bokkuñ bi ñu amee indépendance ak léegi waaye boobu ba léegi ñuy góorgóorlu ba uh, boo demee Nations Unies yenn dëkk yu mag yi nga xam ne yii ñëpp ràññee nañ leen fu ñu toog Sénégal toog fa taxaw fa taxawaay bu rafet Euh, loolu euh, jarul euh, commentaire bu yag li ci nek moy man j'ai confiance si ñi nga xamné ñi ñom lañu installer té installé te ñoom it am yaakaar ne jom ak full ak fayda nek na ci ñom ba nga xamné ñi nga xamné ne ñoom la ñu dañu fexe ba def lu raw loolu wala boog lu tolloo loolu ci yaakaar. seconde loo xam si ni nga xam ne chaque jour euh, ñoom politique toujours ñu ngi si politique rek maanaam bu politique commencé ñu ngi si politique bu politique passé ñu ngi si politique te wàllu développement bi nga wax maanaam euh, politique de développement bi ñoom des fois dañ koy euh, fàtte lan nga leen di ñaax foofu. waaw xam nga ku ne politique wax aussi base politique xam nga kii xëy na da ngay politique te amuloo base amuloo kenn koo xam ne kii wóolu na la. dénk la wala boo ko kaay ñu jóg jógal ñu jógal mu jóg toogal mu toog kooku yeneen la am na ñoo xam ne ñi ah euh, puisque amuñu leneen lu ñuy def lu dul loolu aussi ah da nga leen di bàyyi ñu def ko parce que loolu moo dal seen xel <laughs> waaye jàpp naa ne euh, doon na baax bu politique jotee ñi ñuy jóg politique bu liggéey jotee ñi ñuy dem kooku dafa am solo parce que wax politique kese loolu jëmaliwul réew kanam fekk nag politique si marche normalu dëkk la bokk waaye bu fekkente ne weesu nañ ko dañoo war a wiir lépp ku nekk dem liggéey yàlla na fekk aussi ñooñu di yëngu it ku nekk am aussi loo xam ne am nga ko wala mën nga ko si wànn woowu mën ko dem liggéey loolu aussi beneen mbir la mais daal li ma jàpp daal mooy euh, am na temps wu politique waaye am na temps wu liggéey temps wu politique nag bu ñëwee ba yegg ci war ci temps wu liggéey ah problème day am te nag dëkk bi du dem fenn du ñu avancé si dara budul liggéey kese parce que loolu la président de la république di wax bis bu nekk euh, nañu bàyyi ñi ñuy liggéey bu liggéey jotee ñu bàyyi ñi ñuy liggéey bis bu politique jotee ñu xam ne politique am na nañ ko organiser booy set su élection amee dafay am sax li ñuy wax campagne électorale ku nekk mën a dem wax ah man kat na ngeen ma tànn ndax man nii maa mel nii maa gën a rafet maa gën a kii li ngeen yaakaar si man la nekk mais su loolu jeexee ba ñin ñi tànn ba pare waaye jeex na léegi nag dañoo a liggéey bis bu leneen jotee ah, ñi génnaat mais pour le moment ni japp naa ne li ñu wara def moy ñëpp del ci liggéey parce que temps wu politique wessu na temps wu liggéey ci lañu ñu nekk te loolu le président de la république wax loolu la ànd ànd naa ko moom ci loolu. Euh, ban yëg-yëg nga am si jour bi nga toogee dégg né ministre Aly Ngouille nommé nañ ko ministre de l'intérieur en tant que dialogue dialogue té même boko ko waxut itam xamna né ne seen diggante ra tax na lool. Euh, bi ma déggee information bi euh, bettuma nag bettuma benn yoon parce que man maa ngi bokk ci ñu jàpp ne euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye euh, progression yaakaar naa ne jeexagul des na sax di du dara li nga xam ne yi moom laa sentir yëg ko mooy ne am na taxawaay boo xam bii moom la ay maamam suñuy mam jollof jollof yi taxawaay boobu lañ mos am ci Sénégal ku nek xam na ni euh, officier supérieur généraux armée yi ci ëpp jolof googu lañ jóge ku nek xam tay ji jii ña nga xam ne ñoo ñooy les ñoo nek les pères de la nation ci politique nga dem ci magat Lo nga dem ci Daouda Sow nga dem ci Rayimou lay euh Ka yi fi génn génn àdduna bu yàggul ñuy ñaan yàlla xare ko aljana ñoom ñëpp boo leen renvoyé da nga gis li ñu liggéey Sénégal te Aly Ngouille si tànk yooyu la nekk kon moo tax euh, ministère de l'intérieur mérité na ko te li ci kanam raw li bët am naa yaakaar bu baax a baax a baax si moom jërëjëf euh, am naa si yaakaar bu baax a baax euh, tey jii nii nag ñu dalal ko mu nekk directeur des arts euh, monsieur Koundoul tey moom la ñu dalal si seen émission la lumière du jour dégg ngeen ko ay gis-gisam si wàllu politique bi si ñenn ñi ni ñu koy doxalee waaye itam dégg ngeen yëg-yëg bi nga xam ne moom la am jour bi ñu nommé le ministre Ali Ngouille Ndiaye mu nekk ministre de l'intérieur tey bi encore euh, muy euh, ba nga euh, am muy bi mu aussi la def mais perte le bu espoir. Hmm. perte la parce que bu doon suñu sago ñu toujours di ko gis di ko jege. Hmm. mu ñuy xelal di ñu dalal di ñu espoir bi nga xamee ne jóge na fi sëñ mbay si toog te sëñ mbay si yarawul fenn lu may ci keppaaru ñoom ñëpp taataane ñu fenn lu may sëñ Babacar kon euh, àdduna moo ni demee li tax ma ne espoir la mooy bu fekkoonte ne sëñ bi daf jóge ñuy jaaxle nan kan moo koy wutu di ko jeex kon dina métti waaye bi nga xamee ne yàlla def na li muy def te bakkan bu ñam dund di nga ñam dee loolu yàlla moom moo ko wax kon dañuy ñaan bu bu dee di ñëw yàlla na fekk rek euh, mu fekk ñu ñu am taxawaay ak toogaay bu jekk te yaakaar naa ne sëñ bi préparé na ñëpp tàggat ñëpp ba bi mu fiy jógee toogaay jekk na taxawaay jekk na sëñ bay si ñëw toog kon loolu euh, espoir bu mag la ñaari sentiment yooyu laa lay wax donc am nañu mbetteel ak métit waaye am nañu aussi espoir bu baax a baax a baax a baax te xam ne euh, li nga xam ne moom la sëriñ bi tegoon dara jógu fi dara réeru fi sëñ bay si wuutu na ko si wuutu anam yu rafet ànd ak euh, ay rakkam ànd ak taalibe yi yëpp ñu continuer di dox ci li nga xam ne moom la sëñ bi digle woon kon euh, loolu aussi ñu ngi ci sant baax a baax. d'accord monsieur Poul gis nañ euh, c'est vrai que yaa continuer di jàppale jolof guddeeg bëccëg doo nangu sax ku wax mais tey jii lan sa yéene euh, vraiment si biir jolof ak si biir Sénégal boo sañoon tey jii euh, lan la sénégalais yi war a mën a taxawee ba nga xam que Sénégal li si président de la république soxla ak yi fi li ñuy ñaan mu continuer suñu réew. li ñi sénégalais yi. mën a président de la république mooy ñu jublu ci liggéey moom mooy li nga xam ne lii euh, mi ngi koy woote bés mu nekk ñu def changement de comportement xam nga développement émergence fi mu war a njëkk jiite fi mu war a njëkkee moom mooy ci bopp parce que émergence du ay taax développement du ay infrastructure avant tout ci bopp mooy ñit ñi nekk dans une logique de vouloir xoolal liy xew bis bu nekk da ngay romb ci euh, mbeddu Dakar yi am ay rigole yoo xam ne dañ ko fa def jël kubéer kubéer gi teg ko nit ñi jël kubéer yóbbu waa loolu nan la mën a kan moo mën a fexe ba suqali réew moo xam ne bii kubéeru euh, rubeel euh, rigole sax boo ko fi tegee ñu jël ko kon li nga xam ne moom la ñu war a def pour dimbalee autorités yi nga xam ne yii am nañu yéenee liggéeyal Sénégal te président de la république amul benen yéene lu may bàyyi fi loo xam ne bu ëllëgee ñu ne moom moo fi jaaroon moo fi def lii amul beneen ambition loolu rek la am ñaanul yàlla mu nekk fi bu jógee fi ñu ne lim fi def moo gën a yées li yeneen président yi def loolu xam naa xam na mënuma nekkuma ci xelam waaye jàpp naa ne loolu xelam daju ko lim bëgg mooy bu fi jógee ñu ne moo fi defoon lii parce que effectivement ñëw na ni ñeneen ni ñeneen ñi demee noonu lay demee parce que dem boobu mi ngi koy sàmm ni mu gën a rafetee gën a baaxee kon nag Sénégal yi li ñu war def moy xoolaat suñu comportement xamné lépp loo xam ne da nga ko gis si mbedd mi du yëfu buur waaye sa yëf la yow mii mbedd mi du mbeddu buur defar sa sa kër nettoyé ba mu set jël mbalañ mi def ci mbedd mi kooku du yëfu euh, nit koo xam ne kii bëgg nga sa dëkk avancé donc comportement yu mel noonu yu sew yooyu moom la ñu war a fexe dindi ko suñu bopp ñu positif bu liggéey jotee ñu liggéey bu wax jotee ñu wax mais mënuñu bu wax jotee ñu bañ a wax walla ñu wax waaye bu wax weesoo it ñu wax loolu aussi c'est problème. d'accord euh, kàddu yooyu noonu dégg ngeen ko monsieur Koundoul euh, tey noo gisee seen vision point com euh, mu toog tànnal la boppam ñëw fekk si la fii waxtaan ak yow si li nga xam moom mooy sa jaar-jaar ak yenn poñ si li nga xam moom moo nekk wàllu cosaan ak aada. mais seen vision démarche proactive. xawma nan la koy waxee ci olof waye dal gis na ne euh, li ngeen bëgg xam ngeen ko te yeen aussi yeen ngi jox seen bop moyen pour am ko yaakar na ne tey jii euh, suñu dajé tok di waxtaan euh, yaakar na ne reey dafa téye baña bayyi yaakar na plusieurs fois yónnee nga ma ki mais dama affaire il faut ñu def ko il faut ñu def ko hmm. waaw donc loolu dafay wane ne xam ngeen li ngeen bëgg te it Euh, li ngeen di dox dafa am solo am na loo xam ne lii euh, man duma xalaat sax di ko def mooy euh, dem ci presse bi ne wax man maay kan waaye yéen bu ngeen demee ba sentir ne kii kat gis nañu li muy def te jaadu na ñu génne ko won ko xar yi en exemple mais yéen vraiment gàcce ngaalaam donc man maa ngi leen am ngeen sama ngërëm waaye it am ngeen ngërëmu xale yi nga xam ne yi ah, dinañu ah kii kat suñu mbokk la. fi la jaar waaye man it bëgg naa bu ëllëgee ma jaar fi mu jaar kooku liggéey la boo xam ne mënoo xalaat euh, impact bi peut-être plusieurs années di nga dox ba daje xale mooy laa man tu sais lan moo lan moo orienté sama carrière émission bi nga defoon bés sàngam ak kilifa gi mu wax ni fii la jaar ma toog daay ne man daal du ma toog fii rek jaaruma fi kilifa gi jaar kooku euh, dafay loo xam ne lii kenn amul fayam kon daal la wax dëgg yàlla seen vision mooy leen jaajëfal di leen encouragé te it euh, di nekk ci seen écoute di leen wax ne lépp loo xam ne lii yaakaar ngeen ne ñun mën nañ ci jàpp pour liggéey bi gën a yemb tout ça pour le pour le bien du Jolof pour le bien de la population du Jolof ak xale yi jeunes yi ak lépp n'hésitez pas xam leen ne ñu ngi taxaw di xaar euh, bu ngeen ci woowee comme li ma waxoon sànq rek bu ngeen defoon ndànk ñun ñoo leen si jiitu. jërëjëf euh, kàddu yooyu noonu ngeen dégg nag euh, mu nekk koo xam ne euh, boo ko déggee wala nga jàkkaarloog moom wàccee boppam si boppam la def yàlla def aussi itam seen vision point com gëstu def ab gëstoom gis liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def si biir Jolof gis ne aussi itam liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def si biir Sénégal muy nekk directeur de directeur mu nekk directeur Euh, directeur des arts Senegal euh, si euh, Sénégal yalla def muy Abdoulaye Koundoul tay ji ni mom lañu invité won sen émission la lumière du jour de ngeen pon yi nga xamné ne nañ ko mbokk yi bo gisé nak ñu ñëwoon fi ni nak mu nekk ko xamné ap royu kay la si suñu préw ñu ñëwoon tan ko rek jox ko ñi nga xamné ñoom ñoy suñu lecteur ak auditeur yi ñuy déglu sa dara FM kon ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ki ñu kon tay ji nak mu nekkon Abdoulaye Koundoul mom mo nekk directeur des arts mom lañu dalaloon fii nga xam moom moo nekk la lumière du jour Makayre Ndiaye invité woon ko ñu ngi leen di jox digg daje ak beneen kilifa ak beneen royukaay jërë ngeen jëf si déglu ngeen déglu seen vision point com tombe ketende fondo koko tumbeke